longue réponse hein, parce que si on va euh, fond bi déjà un discours bilan. Mhm. mais mon petit discours il parle beaucoup de futur il a fait beaucoup de projections dans 2025, dans 2026, dans 2024, mhm. alors qu'il a dit que deux 2 avril Inch'Allah, il passe le témoin. Mm. donc mon euh, Warren na a fait une rétrospective de ce qu'il a fait au moins ne serait-ce que durant son dernier mandat nous n'est un discours bilan. Mm-hmm. On euh, sur la forme. Mm-hmm. maintenant euh, dans le fond. il mm-hmm. y a énormément de choses à dire comparé à son discours de l'année dernière. Mm donc euh, parce que il a commencé par dire euh, euh, bi que notre taux de croissance qui est de 5 mhm. sera projeté à 9 9,20 Hein? 9,20 à 9,20 Et là, ouais wax waaw les li nga pétrole gaz bi. d'accord. d'accord mais mais mhm. euh, nous am son discours de l'année dernière nañ euh, parce que Deftini, mhm. notre taux de croissance je le lis bien établi à 4,8% devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023. alors maintenant en 2023, ça ça veut dire que cet objectif n'est pas atteint notre taux de croissance qui était euh, de 4,8% devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% mhm. en 2023. donc en 2023, on avait promis un taux de croissance de chiffres. Mhm. Il reconnaît que c'est la moitié qu'il a, 5%. Il se projette encore euh, dans le futur. C'est mon, objectif. Mhm. Donc, nous euh, analyser du courant, nous aussi un inventaire de, de, de ce qu'il a fait. Mhm. Euh, donc, en matière d'éducation, en matière de santé et tout. Il a fait un bilan un, petit bilan. ce C'est pas un, bilan, un bilan très, très maigre. Hmm. Dans ce qu'il dit, l'année dernière également, il disait qu'il va faire passer les bourses familiales de sécurité familiale de 25 000 à 35 000. Hmm. Il l'a répété. Hmm. Il avait dit qu'il réaliserait KMS 3 pour l'eau, Kermomarsar 3, une mutation euh, pour, pour euh, euh, fournir le Sénégal en eau potable. C'est toujours un projet que devient un projet. Mhm. Le mémorial Goré Almadi, depuis quand on en parle mhm. Au moment de partir, il dit on le fera les années à venir. Mhm. L'emploi des jeunes. Il a dit euh, qu'il va mettre, euh, je ne sais pas, 350 milliards dans les prochaines années. En 2024, pour sa politique d'emploi aux jeunes. Mais non, ça, c'est pas sérieux. Ah, pourquoi Et qu'il est dort Mais il s'en va. C'est vrai qu'il y a la continuité de l'État. il y a la continuité de l'État aussi. En plus, il a ce candidat aussi qu'il est d'or. Mais, d'accord, on est en année budgétaire, on est en décembre. Mm, mm. C'est pas à lui d'exécuter le budget de décembre parce qu'on est en année électorale. Mm-hmm. Il y a des restrictions, même sur le plan des décrets à six mois avant les élections, trois mois avant les élections, le président n'a plus le droit d'engager par sa signature le Sénégal. Donc, hmm. nous projetez-vous dans une politique d'emploi l'année prochaine, sachant qu'il passe le témoin le 2 avril. Hmm. Donc ça, c'est des incohérences que j'ai notées dans cette source. Maintenant, dans son bilan, euh, c'est un point positif. Euh, pour me féliciter ou pour m'intéresser. Oui, moi, notre parc de production électrique euh, en énergie renouvelable en énergie solaire mhm. et quelque peu éolienne à Malikunda, euh, derrière Daganala, là euh, j'ai oublié le nom de voilà donc dans quelques localités réaliser nous un parc solaire, mhm. une centrale solaire pour fournir de l'énergie je crois que nous c'est dans cette direction qu'on doit s'acheminer mhm. donc l'eau c'est un point positif euh, donc euh, l'eau l'eau positif mais l'idée je suis resté sur ma faim parce que quand il parle de bus quand il parle de budget euh, que c'est passé de 2012 à 2012 on a compté 2700 milliards actuellement 27000 7000 milliards mm. il a dit non 2012, euh, on était à 2345 milliards de euh, poussière. Euh, euh on est passé à 7000 et quelques milliards. Nous avons dit que c'est clé d'or. Nous avons aussi un solo aussi pour l'économie réunie. Mais non, il n'y a pas solo. Ah. je dis pourquoi il n'y a solo. Parce que l'augmentation du budget hmm. doit être corrélée à la dette. Parce qu'en 2012, la dette du Sénégal, la dette publique était de 2500 milliards. Mm-hmm. Mais actuellement, elle est de 16 000 milliards. Mm-hmm. Alors, une dette qui passe de 16 000 milliards, ça, noie un budget qui passe de 2500 euh, à, à 7 000 milliards. Mm-hmm. Donc, actuellement, on est surendetté. On a une dette, un fardeau de 16 milliards sur lequel il n'a rien dit mais mais est-ce que sur-endettement, clé d'or vous visez aussi euh, les investissements lourds yi nga xamné état Sénégal def surtout en termes d'infrastructure est-ce que mën nañ sur endettement surendettement les endettement bu bon parce que des pays comme le Japon et les États-Unis nous ont endettés endetté ci monde bi mais gis carrément euh, ils sont considérés comme les pays les plus développés aussi clé d'or voilà, allons donc dans le détail. Allez-y. Euh, toujours se basant sur le discours de l'année dernière. Mhm. L'année dernière, j'ai son discours sous les yeux. Il disait mhm. euh, euh, affecter 750 milliards à la subvention des prix du carburant, du gaz et des denrées de première liste. Mhm. Un alinéa, un paragraphe. Subvention des prix du gaz et des denrées de première liste pour plus de 750 milliards. C'est même un minimum. On a dit plus de 750 milliards. Au même moment, le litre d'essence de, de, a augmenté de 100 francs, le litre de gasoil a augmenté de 100 francs le moussetam. Hmm. Au même moment, le prix de l'électricité a augmenté. Mais où sont passés ces 700 milliards qui devaient nous soulager sur l'électricité euh, et, le carburant et le gaz Ça n'a pas augmenté. Hmm. Il va plus loin et il dit L'effort de protection sociale sera renforcé en 2023. Ça, c'est un autre paragraphe de son discours de l'année dernière. Mm. L'effort de protection sociale sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de plus de 450 euh, milliards euh, au titre de subvention des produits alimentaires et énergétiques. Mm-hmm. Là, il dit alimentaire et énergétique. Et plus haut, il dit subvention des prix du gaz et euh, des denrées de première nécessité. Première tarifs de première nécessité, c'est alimentaire. Carburant et gaz, c'est énergétique pour plus de 750 milliards et il revient plus de 450 milliards au titre des subventions des produits alimentaires et énergétiques. Donc ça, c'est de lac, en fait. Hmm. quand tu prends 750 milliards plus 450 milliards, c'est 1200 milliards euh, dont on n'a pas vu euh, l'origine dans le budget, Parce que donc, il faut yoku, l'électricité, il faut yoku, le carburant, il mais il y' a aussi cette inflation aussi euh, d'or en plus euh, nous avons wax état Sénégal euh, def na li subventions ces deux dernières années aussi est ce que nous c'est le propre du Sénégal aussi d'Or non attends les subventions. Mm-hmm. l'État a fait une renonciation de 157 milliards de recettes fiscales sur les produits importés comme le riz le blé le maïs le sucre pour éviter le renchérissement pour le consommateur. 157 mm-hmm. milliards. Mais là, on nous parle de 750 milliards, plus de 750 milliards, plus 450 milliards. Mhm. Au moins de 1200 milliards, parce que nous avons sur allègement au coût de la vie. Donc, sur ça, le Warren pourquoi croissance nous projection à 10%, nous atteindre 5%, euh, on ne peut plus invoquer le Covid, on ne peut plus invoquer le, contexte international. Mhm. On ne va pas nous parler de la guerre d'Ukraine, j'espère. Donc pourquoi nous dégager autant de milliards pour subventionner l'agriculture, euh, euh, euh, pardon, pour subventionner les hydrocarbures et les denrées de première mhm. alors que le coût de la vie est encore beaucoup, très, cher. C'est un defuñu ci bilan d'étape. Donc, d'abord, dafa voit dafa waroon nous wax à ce stade à ce résultat là. Hmm. donc l'un dans l'autre que ça 3 gis depuis ñu am problème ndox bi le le tuyau bi éclaté won foofu la ñu won dañuy dañuy construire Kër mon master 3. parce qu'ils ont dit que normalement c'était l'ancien régime libéral euh, Ablaye Wade moko a réaliser parce que tout était prêt mais nous, ils vont le faire. Donc c'est le premier mandat C'est le premier mandat bu dem il dit dans l'avenir on va réaliser KMS 3 c'est mhm. pas sérieux Memorial vrai mémorial euh, Gorée mm-hmm. depuis quand on en parle. Mm-hmm. il projette ça dans le futur. Mm-hmm. donc Lolo, je crois que ce pas pas ce qu'on attendait. vrai ce qui est ce qui est pathétique c'est qu'il disent et c'est son dernier discours qui présente euh, ses ses adieux. et il conclut en en nous témoignant de sa profonde affection. <laughs> ça, ça, ça, vous a touché, j'espère. Euh, mais, mais, mais, mais euh, construire fondation euh, dialogue développement voilà le président de la République Macky Sall même s'il quitte il euh, devrait rester aussi avec nous aussi euh, Lolo surtout par rapport à sa fondation on a vu euh, fondation Première Dame Nous disons donc avant sax nga le président qui quitte fondation oui, mais il se donne une vie après, après la présidence, c'est une bonne ah. chose pour lui. Euh, il est optimiste, il pense que bon, il va pouvoir continuer tranquillement à, faire comme si de rien n'était. Mhm. Euh, mais alors, euh, ça va être compliqué. Mm. Oui. Parce que. Voilà, bataille, c'est une logique poursuite bilanek. Si, si toutefois Amoudou Bah, Tok, si Réumi, le président de la République avec sa fondation, il va gérer de manière indirecte le pays il, raisonne résonne euh, dans un contexte de conservation du pouvoir. Mm. Parce que si le pouvoir n'est pas avec eux, je crois que ce n'est pas ici qu'il va se parvenir avec sa fondation parce qu'il aura des comptes à rendre. Euh, parce qu'il a dit, euh, il a rendu hommage aux militaires, mm. il a parlé de la paix en Casamance, mm-hmm. qu'on a incinéré des armes ici à Mamatoro, et mm-hmm. que pour ceux qui déposent les armes, ils ont leur place dans la République. Mhm. Mais il faut qu'ils pensent aussi à nos milliers de prisonniers qui, eux aussi, ont leur place dans la République. Il a parlé des blessés ou des mutilés de guerre dans l'armée. Mais il faut qu'ils pensent à un officier de la gendarmerie DJ Bachi mhm. et à un officier de l'armée euh, euh, euh qui mhm. ont disparu dans des conditions dramatiques et à qui on doit rendre justice. Mm-hmm. On doit rendre justice à des centaines de manifestations, de manifestants qui ont été tués. Mm-hmm. Il l'a évoqué. Et, et, et, ce qui m'a fait un peu rire, c'est de l'entendre parler de, de, cocktail Molotov, d'attentat au cocktail Molotov. déjà euh, comme si nous l'oublions, par rapport à violence l'État, euh, état bi nga ñu ko déstabiliser euh, les poursuites judiciaire Bataille euh, ñom sommes euh, ñu ngi sommes comme mu ngi mais Bataille, règlement de compte l'indemnité euh, si ouverture discours président de la République Macky Sall. En tout cas, il n'y a pas encore d'enquête sur le cas DJ Badji et Philippe Sambou. Mm. les, manifestants, les manifestants qui ont été tués et dont la mort par balle a été attestée par des certificats de décès, mm-hmm. des certificats de gens de mort, mm-hmm. par des actes médico-légaux. Mm-hmm euh, justice euh, ne, l'est pas encore rendu. On n'a fait aucune enquête pour euh, euh, rendre justice à ces familles-là, parce qu'il une mhm. Donc, l'or, nous l'avons aussi. Mais l'or, nous le régime. Donc, euh, il se met dans une logique de continuité du pouvoir. Mm. On a projeté à 2024, 2025, 2026. bon, il est optimiste, c'est vrai. Mais euh, les Sénégalais, je crois qu'ils attendent la grande rupture en, en, avril 2002 et mhm. qui se matérialisera euh, dès les élections de février, l'élection de février. Tout à fait. Euh, mais, mais, mais Clédor, par rapport à une dernière question sur le discours du président de la République, dafa melni comme dafa zappé euh, prisonniers yi nga xamné dañ leen fii Sénégal ñenn ci opposition bi wala sax la société civile dañu japp na c'est des prisonniers politiques est-ce que da nga xaar président de la République artu si wala sax euh, peut-être wax ne dina relaxer quelques prisonniers yi nga xamné euh, peut-être lu leen di toppee taxu ko grave non non mon il a tendu la main. Mm. aux Casamançais qui ont déposé les armes. Mm il, leur a dit qu'ils ont leur place mm. dans la République. Moi, j'aurais aimé que cette même main soit tendue à nos prisonniers qui n'ont rien fait. Mm. Ils vont libérés. C'est vrai qu'il a pris un décret de grâce pour gracier 1300 personnes. Mm-hmm. Mais seuls les condamnés peuvent être graciés. C'est vrai. Alors que tous nos détenus, c'est des prévenus. Mm-hmm. C'est des prévenus, donc euh, ils ne peuvent pas entrer dans cette grâce. C'est vrai. Donc euh, ça, sur ce plan-là, je crois qu'on reste sur notre fin. mais -hmm. euh, je crois que euh, deux mois. C'est vrai. Je crois qu'on va libérer. Euh, voilà. une dernière question, Clédor, avant ñuy jox plateau bi mes invités l'investiture de Ousmane Sonko bu ñu Dembo woon Akapes, mais finalement nous def nañ tey investiture.